Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 19 août. Thème Malheur aux exorcistes. Malheur aux exorcistes. Thème de lecture, bien thèse de lecture, Acte chapitre 19, le verset 13 à 17. Acte chapitre 19, verset 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était cette fille de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit Je connais Jésus et je sais ce qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'avança sur eux se rendit maître de tous les deux et les maltraita de, sorte qu'elle s'enfuit de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient en Éphèse. La crainte s'empara de, tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Gloire à Dieu. Le verset clé ici, c'est le verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'alança sur eux et se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Quand les vagabonds deviennent des exorcistes ou bien des exorcistes et se décident de chasser les mauvais esprits, de faire des mimiques de l'œuvre du Saint-Esprit, il court un grand risque. Comment le diable peut-il chasser le diable sans que ceux qui sont devenus des instruments dans les mains ne subissent de sévères répercussions Telles étaient les actions des fils de Séba. Ils ne connaissent pas Jésus et son nom ne leur était pas délégué. Ils n'étaient pas qualifiés pour utiliser ce nom. C'est pourquoi ils ont payé cher pour leur audace. Les esprits qu'ils essayaient de chasser s'étaient rendus maître d'eux et les avaient maltraités de sorte qu'ils s'étaient s'enfuis nus et blessés. Essayer de faire la démonstration d'une force qu'on ne possède pas est non seulement illusoire, mais aussi dangereux. Après le nom de Jésus dans une affaire où l'on ne le connaît pas comme Seigneur est une œuvre futile. Personne n'est autorisé à utiliser le très exalté nom de Jésus pour chasser les démons, guérir les malades, délivrer ceux qui sont opprimés pour faire ou pour faire un miracle quelconque jusqu'à ce que la personne se repente et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une chose que les fils de Seva avaient négligé de faire. Ils avaient oublié que contrairement à Paul, ils n'avaient aucune relation avec Jésus. Ils avaient aussi oublié que le nom de Jésus n'était pas un instrument de magie dans les mains des pécheurs. Il y a beaucoup d'exorcistes aujourd'hui qui imitent les miracles provenant de Dieu. Beaucoup de faux faiseurs de miracles émergent de nos jours dans les, dans les pseudo-assemblées chrétiennes euh, ainsi leur service et trompent les gens. L'usage inapproprié du nom de Jésus, la Bible et les autres emblèmes chrétiens en est en hausse de nos jours. Mais cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, ce que la Bible a dit. Ceux qui utilisent le nom de Jésus ou le nom de Dieu dans l'exorcisme, mais n'ont pas le salut ce nom non feront face à la déception et même à un moment donné, ils connaîtront une destinée horrible dans l'éternité. Comme les fils de Séva, non seulement ils rencontreront des attaques de démons ici sur terre, mais aussi la couleur de Dieu se euh, méfier, euh, la couleur, même, même la couleur de Dieu, pour avoir utilisé le nom de Jésus pour de, de fausses raisons. Les croyants aussi doivent se méfier des assemblées où les gens utilisent des puissances occultes hein, pour faire des miracles. Le Seigneur nous demande, ou bien nous demande de prouver, de tester tout esprit afin de savoir s'il est de Dieu ou pas, avant d'y avoir fait euh, foi. Que ça nous aide à être vraiment euh, faire attention à tout ce que nous voyons sur terre avant de faire participation au nom de Jésus-Christ. Pensez un jour, n'oubliez pas de prouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'oubliez pas de faire. N'oubliez de, de tester l'esprit, de prouver les esprits pour savoir vraiment s'ils sont de Dieu.